Thank you. Bonsoir, monsieur, dames, est-ce que tout va bien Faites le maximum de bruit. Voilà, c'est cool. Et eh, mais c'est cool, hein, c'est cool. Et qu'est-ce qu'ils ont foutu là Bourg, Saint-Louis, Dakar. Pourquoi ils n'ont pas mis Pout ou Tateguin Je sais pas. Malcolm, c'est ma jeunesse. Qu'est-ce qu'ils ont foutu de ma jeunesse On Wakam, les allez On a les bouillir ana le yangal il y a gueule tapée c'est cool il y a des gens qui viennent la gueule tapée là vous gueulez mais vous êtes tapés de vous hein. vous il y a rien à foutre et il y a quoi Malcolm's Family et la RTS 2 est-ce qu'on peut applaudir Malcolm Family monsieur là avec le président hein et eh, amène-toi amène-toi ça va frère ça se passe comment t'appelles Martha tu es quoi président avec sa tête de con, là, elle me dit président. Président de quoi Président Malcolm Family. Ah c'est-à-dire, maintenant je fais ma gueule là, je rentre chez moi, ma mère me dit Hey Dans les ça, le tas de folie. Et tu maman, ça va manger Family, tu vois. Et quand je sors tout le... Ouais, tu peux descendre la scène, c'est bon, t'es mort. Est-ce qu'on en plaisir plaisir s'il vous plaît Et bon. Il y a pas Yo, rock est-ce qu'il y a des gens qui connaissent euh, DJ Kenza Ouais, ouais, ouais. Alors, je vous présente Kenza, monsieur Il a été avec Ndouri, il a été à la TFM, il a beaucoup fait. Il a fêté son anniversaire avec Mr. Vegas, le seul en Afrique de l'Ouest, le seul. Merci beaucoup. ce soir, je veux parler de ma jeunesse, ça va être cool. Vous allez voir les textes. Ils se sont dit, mais euh, pourquoi il y a le bug C'est normal. Il y avait le micro, il y a des serrures qui nous ont regardé. Mauvaise ice, quoi. Et il est où, euh, Abba Abba Ouais. yeah. Dis quoi Mon poteau. Et on se ressemble, c'est vrai ou pas C'est vrai et regarde, oh, eh, regarde, on a les mêmes deux voix, Liberté 6. Mais lui, c'est VDN, lui. À péage. Merci, ça me fait énormément plaisir. T'as la voix cassée. Bah oui, parce que j'ai travaillé, quoi. Je viens de finir, j'ai pas encore fini. Ce qui veut dire que moi, l'Africain, je travaillais pas. Lui, il travaillait, lui. Toi, tu viens de commencer. Et moi, je travaillais, j'ai laissé mon travail pour venir te soutenir dans ton travail.

Merci ah beaucoup. ah pour Abba, s'il vous plaît. Babaka, président d'organisation Malcolm Comedy Club. Est-ce qu'on peut l'applaudir lui aussi Pour vous dire ce que je foutais moi quand j'étais gosse, regardez ça. Moi, je kiffais le chain, moi. Mais je disais tout le temps à ma mère, je fais pas d'ataya parce que je voulais pas qu'on me dise tout le temps, c'est le boy qui va faire le chain. Je dis non, je bois pas de chain, je suis allergique. Non, je suis pas allergique, hein. Je fais le nom des tasses, <laughs> vois en même temps jouer au basket. Vous pensez que je ne suis pas capable de jouer au basket Applaudissez, s'il vous plaît. Je lui ai fait une passe, mais je ne l'avais pas calculé, tu vois. En sixième, imagine-toi, en sixième, Monsieur Badji, je te salue de passage. Donc, aussi, euh, tu es avec tes enfants, tu écris des conseillers au moins de 12 ans. Parce que ce que je vais dire, c'est toi qui l'avais dit. Hein. Le professeur anglais, première prise de contact, il est rentré dans la salle. Good night, everybody. And here now, look. <laughs> Oh, and you, what's your name? me. Il dit, il m'a dit, you, what's your name? Et lui, quand, c'est-à-dire, c'est un Bambara. Pour commencer, Bambara, hmm, rien n'en foutre. Ils sont costauds, ils parlent costaud, tu vois. Il m'a dit, you. Il dit, mais tu me fais peur là. Il me dit, shut up. And you come on, and how are you? And you, il dit quoi, mais you. Et Youssou ma dem, ma. You, come on, how are you? Je dis, euh, my, tout ce que je savais au Sénégal, how are you? I'm fine. Qui t'a demandé, tu dis, dit, how are you? Je dis, I'm fine. I'm very fine. Non, monsieur, écoutez, I'm fine maximum. I am fine à l'aise. I am so fine Alhamdulillah, quoi. dit « you, what you were doing in your holiday at home? Alors là, <coughs> c'est comme si on me parlait du Hal Poulard, quoi. Mais puisque j'aimais bien 50 Cent, oui, je, kiffais 50 Cent. Moi, là, brain motherfucker, brain, brain motherfucker, brain. là. je kiffais ça, je regardais tout le temps 50 Cent. Il m'a dit, ce qui veut qu'est-ce que ça signifie, what you were doing on your holidays? Ça signifie quoi? Alors, monsieur, dame, celle-là, elle foutait rien à l'école. <laughs> Une vraie maniaque, hein. Il y avait notre professeur français, tu vois. Le professeur français, tout ce qu'il savait, c'était qui Napoléon de Bonaparte. Toute sa life. Il m'a appelé le petit Napoléon, toi. Moi, il m'a demandé. Moi, je n'ai rien à foutre de toute sa famille, moi. Lui 12, lui 16, lui 15. Tu amènes toute la famille, lui, jusqu'à 12. Sunjata Kaita, il va leur casser leur gueule à tous ces. Ah ouais, ouais, toi t'es toi t'es africaniste, Vraiment Sérieusement ah, Ce qui veut dire que t'as pas le passeport. <laughs> C'est mort maintenant. Quand tu t'appelles Habib, Abab, <laughs> et que tu as des barbes, tu musulman, pas de passeport. Ah non, c'est mort pour toi. On avait notre professeur, Madame Tavares. Alors là, sur la tête de ma mère, moi je kiffais pas espagnol, hein. Mais ah ouais, c'était une belle bombasse. Elle, moi, la famille les euh, tout ça là, Baslims. Moi, je kiffais ça. Quand elle rentrait en classe, c'était comme le Ndaurabin, mais Botas. Elle rentrait comme ça. Buenos Dias, je dis Buenos Dias, Buenos Dina, rien à foutre, assis-toi, dépose le matos, dépose la caisse. Moi, c'est-à-dire, moi, les cours de maths, j'étais derrière, non, mais les maths, euh, tout ça, je kiffais pas. Mais espagnol, sur la tête de ma mère, c'est arraché devant. Et je matais là-dedans. Bon, là-dedans, c'est comprendre, je dis oui, oui, oui, je comprends tout. Oui, oui, attaque, attaque, attaque. De, eh, Malcolm, la carte à la bataille, je dis tout, je comprends tout, moi. La merde, la merde, la merde. C'est tout que je comprends, mais allez-y. Les mbales, les là. <laughs> Et quand on. C'est-à-dire, chez nous, là, oh, au Sénégal, il y a les nôtres de bavards. C'est ça, n'est-ce pas quand il venait, personne ne bavardait. Tellement elle était bonne. Ah bah ouais. Et ce soir, je, me rends compte que il y a beaucoup de moches. Mais bon, ça va. <laughs> Il y a des belles. Il y a des belles. Il y a des belles qui sont là. Hein. Par exemple, il y a des célibats ce soir. Des célibats. Regarde, Sarah, la dame là devant, elle a dit Oui, c'est l'occasion ça met. Alors là, il faut que tu y ailles. Ah, il y a un monsieur lui aussi. Tu es célibat Ah, doucement genre ah ouais j'ai faim xiif naa fan yop, fal. faal indi rek ñu d'or, gain lépp day toi aussi pareil c'est ça elle est célibat monsieur ah non tu sais pas célibat toi toi non tu es célibat ou pas juste ce soir genre c'est-à-dire lui je lui dis est-ce que tu es célibat il est là il regarde la meuf genre la meuf est genre la meuf elle lui regarde genre oui dis oui on sort je te casse la gueule vas-y dis oui je dit non, euh, je ne suis pas célibat, donc c'est bon. Alors. Et je kiffe ça. C'est-à-dire, s'il y a des célibats, levez la main, c'est l'occasion ou jamais. Une, deux, trois. Ouais, ouais, toi, tu fais deux, toi. Quatre, c'est bon. Ah, regarde, elle me fait. Toi aussi, c'est bon, là. Hein, hein. Ouais, on arrête tout. C'est pas l'Assemblée Générale, là. Oh, oh, vous battez pas, hein, vous battez pas. Vous battez pas. Et je kiffe ça, monsieur. Je veux que vous me foutiez le maximum de bruit pour accueillir mon jumeau, mon master, mon ami, from 2 TV, monsieur Abanos. merci Didier merci beaucoup maa ngi leen ok Malcolm Malcolm comme ñëpp ah ñun ñëpp dañu jaar école ñun ñëpp dañu def euh, buñ même buñ télé bay jang dañ jaar école moo tax du ngeen ma dégg rarement lay wax tubaab bah waaw oui wa parce que dama dem à Paris ma am spectacle bu mag buñ ma invité woon foofu euh, spectacle Gad Elmaleh ak Jamel Debbouze bah oui je suis première partie je parle français et tout le monde a rigolé hein? ma suis wax dans salle bi ñu jox ma feuille Je ma def suis non stress non lay ok école ku ci nekk am nga li nga fa nga école pertinent bah oui merci beaucoup dama la ràccal sama bopp laay la bi may dem école noonu laa mës a mel ah. dama mës a fidèle ci samay xarit et dama sincère ci amitié su ma jàppee du wallahi bàyyi qui ba ci ki may sëyal mooy sama premier gel waaw ah man je suis comme ça man su ma jàppee du merci beaucoup merci beaucoup mais du ma ci école classe bu ma jappé duma bëgg bayyi parce que pour man de kon duma gor japp classe après bayyi war ko demat non 6e def na ko 5 fois ah oui parce que du nulard fidélité la fidélité la parce que duma bëgg ma gis classe bu bess bayyi classe ba kon avant may am classe bi ban classe la nekkon ma def 5e 6 fois 4e 3 fois 3e 4 fois ñu tëbal ma parce que boobu amoon naa expérience def CM2 ñu tëbal ma ma def CM2 alors booy jaay fidélité boo nekkul woon sunu classe ñun c'était à Yëmbal CM Momar Marème Diop noonu lañ ko doon woowee parce que du école comme xale yi boo demee bay def CM2 ñu dugal ci CM c'est parce que am nga âge professeur ñu yóbbu ci CM ba bi ñuy def CM2 ñi ngi laa bokkaloon classe ñi ngi du élève comme ñun ñi ngi c'était un élève boo xam ni mënoon na yor sécurité ci temps bi mu nekk élève faalewul sécurité bi taxaw fii ma ñëw mu may wan ni moo ma gën a yàgg ci école bi parce que moom def na fa 35 ans ba oui man ñi ngi compter samay 13 ans 14 ans ñi ngi moom fierté mooy am na professeur yoo xam ne bu ñu ñëwee moyen ni dalal moom dafa amoon néeg ci biir école bi ñi ngi temps boobu mu ngi doon def 255 kilos bi xalé ñun bu bare ma wàññi man aw ma problème yooyu waaw parce que mën naa am accès de kilo yo xamni ne mën naa ko wàññi parce que graisse bi la won man graisse bi la calculer walé ñing bi mu nekk ci classe bi ak taayam ak poids ak âge am ndekete ñing def na ci classe CM2 bi def na ko ay 13 fois ba eh, dou sa classe classe suñu classe la et eh, bo may fenn lo da ngay bay ba fekkee ko suñu classe la ma fa jànge ma ñëw profité comme tu es intelligent tu es un bon élève Il y responsable classe bi ku ci ana ñi mës a classe responsable ah, c'est c'est que c'est que de élèves yu baax rek ñooy nekk responsable mais élèves yu min classe min miin école bi kon yéen ay redoublant yu mag ngeen yu waaw waaw ok bi ma ñëwee ñu def responsable classe ndekete ñi ngi kenn mësu ko bind de bavard man comme dama mës a am fit guerrier là, ma téye non de bavard bi ñi ngi wax ma parce que moom laa njëkk mais man dama yéex comprendre bi ma sëgg di bind ci la ma pour man euh, ay timis sa jot tàkkusaan mooy bu ker gi di ñëw ma sigg yem ci muy mu jeex may sigg jeex ma mu tok ci ginaaw na fa waxtanam ndeke professeur bang koy deg suñu musse ni man ñing ku man la ko mu man ma dem ma suba bi may jang ci man na ñing suma ñewé bu bu waxul yépp dina ko bind parce que vengeance la ñing wax ma bind

lii daw naa yaram li <laughs> li ngay def ko gën a daw yaram ñi ngi sëgg nii prof bi di ko dóor maay bind noo de bafaar man fii laay toog maa toog nii man maa yow ñi ngi bugg a prof bi neen diir danaan <clears throat> dafa am doole du yuuxu du jooy lii daw na yaram ñi ngi du yuuxu du jooy boo ko dóoree danaan <clears throat> siggi xool ma ma jooy prof bi ñu ngi tir tiir ñu ngi ne mm, mm. ma ni ok on était cinq di ñibi bu ñu wàccee ñu doon ñibi mais quatre koñ moo nekk suñu diggante école ak suñu kër cinq lañ première koñ bi sama benn xarit bi jàdd foofu la dëkk deuxième koñ bi keneen ki jàdd foofu la dëkk troisième koñ bi keneen ki jadd fofu la dëkk mu dess ñaata kenn ak man quatrième koñ bi la dëkk ma war continuer man ba ci cinquième koñ bi nga romb ko sixième bi man fofu moy sunu kër ñi nga ngi ci cinquième koñ bi taxaw koñ bi am pot lampe bo boo déggee yëmbal koñ bi am pot lampe suñ koñ la benn pot lampe am yëmbal ñun la ñun waaw ku fa am courant ñoo la may sama papa dafa amoon xaalis de li daw na yar dafa gaañu rek ñu ñàkk mais dafa amoon de motax mu dem ba yembal dekk fa baye almadi parce que vengeance la pour mom baye almadi baye fan ok baye fan Residence, bàyyi yep mo tané sa baye ngay ré légui ñi ngi taxaw ci bop koñ bi di ma xaar ma jatt rek mënuma ciix te yow ya ko doon bind ah wa mais duma ma fen ma ko yow lu nga may bind mais yeen kuñ ci japp bëgg la door nga bëgg génn ci xex bi loy wax ñox na ko da nga mo bu

wax te classe bi nee ma ngi wax la ah awa man yéen wax ma du ma fen ngi wax muy wax mais ah bind déggul ko ni na na ba ci man di yuuxu mais man yàlla dimbali ba amoon naa temps boobu écouteur yu man dégguma na

et eh, li na léegi man dootu fi gëj xam nga man fu may fenee rek lay wër ci li amna fi <laughs> rendez-vous bi nga may jox rek heure bu ne rek bu amé ma jaar fii. ayca je suis content de toi mak la franchement merci beaucoup Abba merci. regarde j'ai deux micros j'ai ça et ça il m'a donné ça c'est-à-dire euh, bouffe la scène bouffe la scène. pour man dafa baxul ba tey parce que yow sa dara baaxul tu veux sa dara fonctionné wul fiston. waaw fais ça. Ça baaxul. Ah, bàyyi nga est-ce que mën nga. est-ce que ayca merci Malcolm. merci beaucoup merci à tout le monde jaa ngeen contaminé. merci beaucoup. ay c'est cool hein viens, viens, viens. Viens, viens. Voilà, voilà, voilà. Le monsieur, à la base, il était chinois. Mais sans se dire, et ça lui fait mal. Alors, vous vous appelez comment Man, Singom. Singom, je l'ai vu une fois. Je dis rien en foutre car lui, on l'invite prochainement comme Comedy Club. Il est bien. Hein. Il est super. Eh bien, nous ça les... Bien, ça m'a Et je vais vous dire une chose. Ce soir, nous allons faire de... Bah, je vais consulter, voilà, Malcolm, etc. Mais lui, il est consultant et il est médecin. Il est capable de vous dire, il est médecin et marabout et spécialiste, généraliste. Et professeur. Professeur en même temps. Hein Médecin. Alors, je veux que tu me dis, cette meuf, elle s'appelle Sarah. Elle s'appelle Sarah. Mhm. Je veux que tu me dis qu'est-ce qu'elle a comme maladie. Moi, vois. manque dafa de vitamine déjà. <laughs> olof comme da ngaa feebar feebaru xure bët ah, ah, ah benn la rek seeka sotti ceeg def ci la kii moom tamit dafa njàppaan dafa ndoxum siti moo tax cheveu bi gis nga cheveu bi pant la woon nii la waroon def comme Rihanna bi ree de côté mais moom ree de milieu la ko def alors ndoxu Balla qu'est-ce qu'il a lui Balla lui le gars en blanc là Balla dafa beere <laughs> daa beere alors le DJ qu'est-ce qu'il a lui non qui Khadija Paul Fouto, le quoi Je nga rek mo bëgg di wax ci merci. jaajëf ma dalanda dalandaa eh maximum d'applaudissements pour comme allez dégage. Popcorn. tu en veux ah du chine. merci frérot c'est cool ça. qui, en veut du chine. voilà. <laughs> Eh, avant de continuer vous passez une bonne soirée ça se passe. Ah, voilà ça se passe. Toi, tu veux que je sois overdose ou quoi Et sur la tête de ma mère, je le jure, au nom de d'Allah, Barki chez moi, je bois pas de thé. Donc actuellement, ils vont me voir, ils vont dire, ah, ah, lui se fout de notre gueule, lui. Quand on le dit, China, il dit, non, je suis allergique. Et il boit du China, en fait. C'est pas du China, c'est du Doudé. grand pap grand car. les les la Ce <laughs> c'est pas du China, celui-là. Qui, qui va encore du China ah non, non, pas de paix. Mais, mais, mais, mais, vas-y, vas-y. C'est ça Nani Nani Tu veux venir Ah ouais Allez, venez, venez, venez. Come on, come on, baby. C'est moi La Love baby. c'est mon oui, Merci beaucoup. Alors t'appelles comment, Tali? Euh, c'est Danilo. to Danilo. Je vous avais montré, non Danilo. Dans, Ouais, ils sont géniaux. Alors, ça te fait plaisir de venir au Sénégal, toi Oui, ça hein fait ma deuxième fois au Sénégal, à Dakar. Parce que la première fois, j'étais là pour le programme YALI, mmh. Young African Leaders Initiative. Donc, mmh. euh, là, je suis de passage. Et ça fait euh, plaisir de venir au Malcolm Comedy Club, c'est la première fois, toi Yeah. Et tu kiffes euh, C'est génial. C'est génial Oui, avec Shingo. <laughs> ah, Shingom Ouais, toi, toi, paraît-il, t'as foutu la merde. C'est vrai que je comprends rien de ce qu'il dit, mais j'aime quand même. C'est super. Est-ce qu'on peut dire Shingom et lui aussi Ça se passe, monsieur Lam C'est bon Je veux vous entendre. Est-ce que ça va Allah, Allah, Bismillah. Comment tu t'appelles C'est Bilal, Bilal. Oh, Bilal. Oh, wow, je dis Bilal, je sais qu'après, Emmanuel Macron, il va regarder. Ah, lui, il n'a pas de passeport ni de visa. T'es mort, c'est mort. Alors, oui. Euh, doucement, je te présente, tu vas doucement. <laughs> va ça marche, hein Ça marche, hein Vous attendez, hein Eh, toi, toi, tu es quoi Tu es comédien Tu es quoi Oui, je suis comédien, oui. Tu, tu es comédien ou tu veux être comédien je veux être comédien. Tu veux être comédien Oui. C'est quoi ton fort avec les meufs Je te vois tapoter des meufs. Oui en fait, moi. C'est quelque chose, quoi. J'attire les filles en. <laughs> Quand je regarde une fille, il y a, quelque chose que je fais dans le film, quoi. En fait on quoi. Tu vois ah, je veux attirer une fille seulement par la rare quoi. <laughs> Mon attirer quelqu'un seulement par quoi. D'ailleurs, automatiquement, derrière barré quoi. Tu comprends, hein Non, je comprends rien, moi, franchement. par exemple, une fille, elle, elle. Oui, Elle, est est célibat, elle. Tu peux... elle, tu peux la pécho, elle. C'est qu'elle Lui, hein Je dis elle, elle me elle. Elle, elle, elle, en, rose, en rose. Ok, attends, attends. Elle, elle est drague, drague, drague. Dis-lui des mots douces, vas-y. <laughs> hey, eh, tu lui fais peur là. Et eh, genre, je vais te casser la gueule. Si tu sors. Prends-moi. Eh. Prends-moi, c'est bête, hein. Ouais. <laughs> Doucement, doucement, doucement. Regarde, après. Tu vois, tu vois, tu vois. Hein? Il a commencé à. J'ai commencé à l'attirer, tu vois. Non, attends, attends. Attends, oh, oh, doucement, frère. Attends, toi, t'as beaucoup d'énergie. Regarde, toi, t'as beaucoup d'énergie, mais il faut savoir se canaliser. Ouais, doucement, doucement, doucement. Tu t'appelles comment Je m'appelle Bilal. Hein. Bilal, Bilal. Doucement, Bilal. Doucement. Fais pas de dégâts, voilà. Voilà, Sangoku, d'accord. Alors, alors, alors, alors, euh, oh, Kunta Kinte, la Bilal, explique-nous qu'est-ce que tu fais dans la. Ouais, doucement, Bilal, doucement. Euh, tu fais quoi Tu es comédien Oui. Tu veux être comédien <laughs> Non, tu es comédien ou tu veux être comédien Je suis comédien. Hein? doucement, Bilal. <laughs> Il fait peur là, Bilal. Attends, Bilal, tu habites où Tu habites à Wakam. Ouais, c'est normal, ils habitent à Wakam là. T'es un lébou quoi, t'es lébou. Non, non, je suis pas lébou. Tu quoi Je suis. Euh, drang, drang. Lu bani di Nous Lu wala ne wama lu di niroo lan moo lan moo war a nekk jikko lu bandi di niroo lu war a ne jikko wama lu bandi di niroo lan moo lan moo war a nekk jikko wama ne def sa compte fees ak ay concert huis clos rappeurs yi ñoom ñu ngi xotti texte di secrétaire ci bureau profito woo balaa di ñëw te compliqué loolu nga laal fi million ma fi gën a Rajoute rajoutez pas de l'huile hein, dans la feuille, je sais pas comment on dit. Mais il est malade. Dis-moi, c'est quoi ton rêve mon rêve, c'est de devenir comédien. Hein. Comme qui Comme qui Comme Doudou Comme qui Oui, comme Doudou, mais euh, comme Diamel Debouze, euh, Gadel Malheur. Tu savais pas que Diamel, c'est mon idole, lui Nous, je le savais. Tu savais Oui. Donc tu veux, tu, tu, tu, te fous de la merde, tu es devant moi, tu dis Jamel. Ici, c'est moi qui dis Jamel, c'est pas toi. Non, mais c'est normal, il faut. Ça que Assa dit. que Assa. Ah, le monsieur de Ah. <laughs> Par exemple, par exemple, Jamel, il sait dire. Euh, par exemple, Jamel, il est de quelle nationalité Jamel. Euh, Maroc, Maroc, marocain. Ah, il m'a dit Maroc, marocain. Ouais. T'es sûr ou bien tu t'attends tu T'en es sûr Algérie, pas, c'est pas Algérie Libye Libye Non, c'est entre Algérie et Maroc. C'est entre Ouais, c'est <laughs> entre Algérie et Maroc. <laughs> Mais il est faux celui-là. Là. Eh, regarde, je pense que lui, il peut faire carrière ou pas. Vous allez juger. Vous allez voter. Ceux qui pensent qu'il peut faire carrière, levez la main. Ah! Wow! I feel good. I knew I I feel good. Tu as un chien à la maison ou quoi Tu dis ouais, ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que tu peux commencer avec le truc Maximum d'applaudissements pour Bala, monsieur Lam. One, two, three, four. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Monsieur Bala, il est très fort. Mais il va vous dire une chose, parce que lui aussi en classe, on était pareil. Je veux savoir un peu superficie au Sénégal, un peu yenn bagages yu bari ci biir Sénégal. Premier jour ma tombé avec devoir. Jànguma ba yegg si foofu tombé avec devoir lu may def du ma tricher. ma àbb tok di tricher prof bi fele la dan tok mais tay dafa wiri di jaabante ci bay sa yu yexé ma melni kuy xalat mu rombu ma bi prof bi ñew na ba tim ma man yëguma ko halat ngi recopier lu neex ma ngay xalat sama 20 sur 20 bi suma ma ko wone sama parents nu muy démé prof bang ma tim di tak ndig li di préparer dafa jek sa ni ma eh ma sigi xol ko mu ne Balla qu'est-ce que tu fais ma billahi je triche mais je t'explique Mon ami ma y a rien à expliquer Louis tricher manikor. je peux t'expliquer je l'ai hérité Ça Mon papa laa ko donne mu ne ma pas. loolu ma ne ko sama papa buy bind turam day génne carte d'identité am toog di ci bind recopier kon kooku day tricher ci mom laa ko donne mu ne ma gennal sama classe Lolo yak sama jang ma dem football waxna légui léegi li ma def ci football bi ba tay mënuma réussir mani légui damay def comme ñëpp damay nek chômeur mais bima ma nekkee chômeur dafa am ay constat yu ma def senegal dafa bari ay ethnie yo xamanteni kenn ku ci nek bokkul ak moroomam sank maa ngi fiy gis ben jola bu excité di teub di dal ah gis nga batay batay mi ngi teub di dal xam nga joolaa yi lan motax ma fan leen gëm liggéey jola yi kese la nit ñi di ciakaay di fo ñom ñuy liggéey molen mo len indil tardé ba yalla bi muy joxe ay fecc ak ay way ñom amuñu fecc amuñu way ñi ngi won ci tol ya di bay sunu borom di joxe fecc

génne leen tableau yi teg ko nii ma trouvé li may trouvé ngeen jox ma suma permis ci nii wala ci nee barki faa bes gars yi génneel ko ñaari tableau sens interdit ak doo ni ko lii boo ko trouvé ñu jox la sa permis mu xool sens interdit bi daal ni lii ku ko xool xam ni sens interdit la boo fi jaaree yoon dal sa kaw ndang sa kayit ñu génneel ko bu doodaan bi tegal ko mu xool daal ni lii lii doo nga tax ñu may jox suma permis ñu ne ko waaw mu ne lii ku ko xool xam ni bàmmeel la nit a fi tët tomb laa laa wax dañ fee suul nit ba amul permis mu mer genn and ak jabaram dugg ci tata di dem man mako kal calmer ma and ak mom ci tata bi mais jabar ji tar kala xawma lan la ko yalla mayul waye ginnaw bokku ci am ginnaw gu Me mais bus yi boo ci duggé ku nek ak objectif am ki dafa dugg ñew jënd ticket bu 100 francs pour dem fu jégué ki jënd ticket bu jëm pour dem fu fu sori ki jënd ticket pour ñëw riisu xalé jigéen yi kese waa ju mel ni si ngoom ñëw na dugg ci bus bi tafu na xale bu jigéen bi oto bala muy daw yëpp yoonam newu ci oto bi na dugg ci sa kus da koy gën a arrangé yoonam nekkul ci dara oto baa ngay daw ba mu yëg boppam tooyal na xeb baawu xale bu jigéen bi séeréer bi këx na kër goo xam ni jëkk saa na sentir lu tooy mu làmb daal di xool daal ni mu yow man kan moo ma taxal ñamaandu buy daal di ñam defaat nii ne laay da koo fàtte suukar di ma xam ni séeréer yii ku leen topp di nga am problème ma dem ànd ak alpulaar yi sama benn xarit sama doomu nday alpulaar la wili su ma duggee seen kër li may njëkk jéem mooy ba ma dalee ànd ak moom ba léegi ça fait plus de 15 ans. c'est la culture wañanga yéen. waaw wañanga yéen mais 15 ans yi may ànd ak moom yëpp si ngom euh, jamtan kese laa dégg jam tan suma duggé sen kër maire bi lu wax mané ko jam am amna lu mu làkk nan ndaka liggéey bi manan ko jam jamtan ana sa yaay mi ngi ci jam manan ko ko jamtan lu mu wax mané ko ko jamtan mais ñom li tax ma respecté len moy dañoo yaru gis ngeen wili ba mu ñëwé ba légui bopam yaru moo tax bu ñuy dugg ci ascenseur dañuy simmi sen dal ci buntu bi dugg bu ñu yeggee troisième étage naan ondu podam woni donc lolu moo tax je les respecte beaucoup euh, wili ma lay ma de bu ko yobbu sa yaay nak Parce que vous maintenant de culture en culture après Madame vais ba genre comme li dit, culture générale parce Sénégal, il Sénégal a une culture générale do ci mais ma marqué ce sont les gueules. oh ça genre gi xam nga Je exemple tu vois, sàcc duggé kërëm da ko wayal ba génn ci nit ki li ngay liggéey ci ngay jaamu yàlla waaye ci ngay défendre sa bopp sàcc bi dugg na ci kër gi doon ponkal soxna ay dara yeewaali ñëw ni ko sàcc baa ngi ci biir kër gi ba mu génnee def ko ni fexeel ba bun ma yëngale waaw waaw waaw ba sàcc bi meree aalu ne ko bu la yëngalee looy def aduna bi fo ak reena waaw noonu la ko jàppee ba génn ci gardien ba doon làqatu sax ba mu ñëwee daf ko jàppal temps naan ko tundaaraara tundaaraara donc astuce su géwël yi moo ñu yóbbu tey ba ma toogee man ma naan may nettali histoire sàcc boobu am ku ma ni man sàcc duggoon na sama kër daal di ma koy expliquer ndeysaan peeru géwël la hmm. Malcolm hmm. Malcolm viens kaay hmm. damaa bëgg nga jàppal mu benn temps Moi, c'est-à-dire, moi, je kiffe le public. Ils t'applaudissent pas, ils sont là, ils consomment quoi. Non, ils consomment, c'est normal. Ils consomment Malcolm. Consommation sénégalaise. Malcolm B. Le tax booy nga may loxo. c'est pour avoir ben courant pour ñëw. c'est pas sûr hein. <laughs> donc pas bi dafa ni ñun ay noble lañ ñun géwël yi duñ fi nekk di dóori duñ fi nekk di xeex. Inshallah. allah rek lañ soxla. nañ génne cool yeeg mbëng-mbëng yi ñu jàppal ko temps waaw boobu temps lan moo amoon Yuusa dëgg la Yuusa dëgg Yuusa daan def cërërërat kun giis cërërërat kun giis tàkkum kum tas kun giis roob roob kun giis paa bi rek da koy téye daal di recommencé waat sàcc bi ne woy père man kay mën naa dem nañ ma jël quoi quarante sabar génn 40 mbëng mbëng 40 cool astafurlah allahu bar xel ma maa yoroon leer bi sama histoire la ni yoonu kenn nekku ba bañ koy tëggal sàcc baa ngi commencé fecc ci cërërëw gin giis. cërërëw gin giis càkkum ndax gin giis roog roog gin y' a pas de gi caa gin gi ca gin. la ñuy yem yow doo géwël. waaw ayca cërërëw gin giis. cërërëw gin giis ca gin gi tas gin giis re. ñu commencé waat cërërëw gin giis lépp sàcc baa ngi ci sàcc bi téye na ko fa 9h ci suba ba 18h ci ngoon. ñu koy yaa ilaha illallah. man de wañuma waxale ma kenn. ku bëggul rek nga bañ a jël. 18h maire yi demoon xëy marché doon jaay ndugg wàcc ñëw ci ñi doon tëgg dem noppalu ju maire yi ñooy tëgg maire u yi. c'est vrai. ñu ngi koy tëgg tëggu maire. cerereraw giis cerereraw gin giis ku cas gin gis re. cerere raw gin giis cerere raw gin giis cakut ku cas eh, gun guis ah. re ba 23h maire yi dem noppalu xale yi demoon fo bi daal di ñëw jël sàcc ba ba tey ma ngay fecc tey nañ sàcc bi une semaine di ko tëggal te noppaluwul dëgg la sunuy baaxu ma ba paa bi yërëmee sàcc bi daal di dem ni nañu arrêté tëgg yi ñu tëralaat sabar yëpp problème bi ñu amoon mooy sàcc bi ci boppam yaram bee dem ba adéquate ci loolu ba bokk ci commencé moom ci boppam mooy taxawal ci kër gi naan cërërëw gin kiis cërërëw gin kiis cakcas gin ñu woo sapeur woo police woo sami woo ñëpp ñu indi leen ñëw ba yegsi ñu ngi xool sàcc bi ñu ngi koy consulter ñu ngi def lépp sàcc bi teewul yaram bi ba tey ma nga naan cërërëw gin kiis cërërëw gin kiis cakcas gin kiis ret ñu ne kii dee na nañ ko suulu ñu jàppoo ko yóbbu ci morgue bi morgue bi tëral nañ ko fa ñu ngi koy sang di ko sotti ndox ba tey moom ma ngay fecc cërërëw kin kiis cërërëw kin kiis cakul tas kin kiis re ñu sang ko ba pare muur ko perkaal yóbbu armeel ya dem ba foofu gas ba mu teg ko ci wet gi di ñaan ba tey sàcc baa ngi bi naan cërërëw kin kiis cërërëw kin kiis cakul tas kin ñu jël ko dugal ci biir pax bi suul ba nëpp nëppal di wane ginnaaw di dem sàcc bi génne loxo bi naan cërërëraw kin kiis cërërëraw kin kiis cas kin kiis li tax ñu naan mag mat naa ba cim réew xam ngeen lan la màggatum géwal moo ñëw daal di dugalaat loxo sàcc bi suul ko ba mu baax daal ni ko raw gin giis raw gin giis cakut cas gin giis rek gin gi caa gin gi cakit merci beaucoup Malcolm giis giis giis Merci beaucoup. Maximum d'applaudissements pour Bala, monsieur là. Il est fort. Et vous allez garder cette énergie. Nous allons accueillir Willy Momodou Wananga. Maximum d'applaudissements. peut Mr Willy. Deux micros. Il est. Eh, euh, passe-moi ça, s'il te plaît, frérot. Thank you, Shingom Hollywood. Ouais. Alors, ça se passe c'est normal. On a fait plus d'une heure et quelques de temps, mais c'est normal. Ce mois, tristesse et de il faut qu'on libère tout ça. Alors, Willy, ça va bien hein? vous, vous, avez deux minutes Alors, Napoléon de bonne la... Ça ferme ta gueule. Ouais, vas-y. Alors, Voilà. âge <laughs> qui C'est le Diouf Gueulez en silence, s'il vous plaît. C'est que man, li mo taxone man nangu micro bi. Si ngom day tawé ko ret, fokk ñu un ko. léegi bu ko defee nag gars yi man dafa am loo xamante ne foog ma wax leen ko quoi balaa ma dem parce que dafa am loo xamante ne dafa ma métti man dama demoon ci benn restaurant ma fekk fa gars yoo xamante ne wax dëgg neex yàlla niñ ma neexu ma maa dem toog xool resto bi mugee hmm. ah ma def yëfu sauvage rek ñëpp ne serveur di wër serveur bi fan la nekk Serveur. <laughs> ça, ça va être de la merde ce soir. ça va bien. Ça va. Serre-moi quelque chose à boire, s'il te plaît. Bienvenue à mon restaurant, Riflek. Tu veux quelque chose à boire Oui, mais. D'accord, tout de suite. Du Du ou du coca du coca. Du coca. Du coca chaud ou du coca frais euh, Du coca frais. Frais, d'accord, tout de suite. Euh, en bouteille ou en canette En bouteille. En bouteille, d'accord. Petit modèle au grand modèle Petit modèle. Petit modèle. Avec pupette ou sans pupette Mais mon gars, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a rien, je veux juste éclaircir la commande. Tu comprends, Wolof Tu comprends Wolof. Il m'a coca bu sedd ma naan. coquin bu simple. waaw d' accord bu mag wala butéel bu ndaw. waaye bu ndaw. yow kese yaay naan. man kese maa fi nekk. d' accord ma indi glaçon wala jaru glaçon. non jaru glaçon na sedd rek. na sedd rek d' accord bu ndaw sans glaçon bu sedd. ma indaale kaas wala da koy jolu. sa waay yow fi fii ngay liggéey. fii la liggéeyee kay. ani sa patron. ñaar la bu góor bi wala bu jigéen bi. putain. daa mel ne putain nga wax de. putain de saloperie de bordel de merde wala putain de merde kese. sa waay yow noo tudd. sama tur dëgg wala sama surnom. waaye est-ce que xam nga ni si tu continues comme ça je vais te gifler. danga may mbéj lex bi wala lex bi. aguentu wala da ngaa mer sa waay xam nga li nekk sama xel xam ah, nga fayu bu nekk sama xel ah ouais bàyyi ma merci ma dem waaw ba bye ma dem ma toog wala ma dem ma indi commande bi waaw doo dem ngir yàlla ak yonent bi ma mar naan nga xelil ma coca bu sedd ma naan ngir yàlla ak bi ak loo yaakaar na nga dimbale yàlla ak yonent bi yow mu nga wala tiitaan waaye man xaa xaadar la waaw. da ngay sikkar wala da ngay tëgg tabal. <laughs> ah ouais. waaye bàyyi ba bàyyi ba naan léegi fii nii sër resto bi am na bu góor bu jigéen. waaye man lan lan lay doyee toilette jigéen. Ah, ma mën nga dem foofu di yëndu. léegi man dama la koy wax solennellement man toilette góor laa bëgg bu fekkee am na nga ne ma am na ma dem. d'accord am na kay waaye da ngay sawal da ngay puub. wili wili wili wili wili wili kaay kaay kaay kaay. monsieur Lam chaque jour ngeen gis leen ci Abba Show bi ou bien dans les autres spectacles ils se disputent musuñu jiboo dinaa la ñaan dara vous allez foutre le maximum de bruit possible hein, pour que nous jubóole leen. s'il vous plaît monsieur comment vous appelez. monsieur le restaurateur. ok non rigolez pas sinon vous allez donner le moteur monsieur le restaurateur vous nga jubóo avec ce copain une fois s'il vous plaît. d'accord D'accord. nga Vous d'abord n'est-ce pas jullit nga wii li du ma laal ndax jullit nga ndax xam naa ne jullit nga ndax yow mën ngaa baal jëmm ji rek laa lay laaj pour une première fois ça va être juste en exclusivité sur la RTS 2 ouais mën nga ko baal xam nga yow waaw fu mu nekk nii dafa mel ni nga bëggoon jël Iran ak Irak nga bëgg leen ju jubóole fu mu nekk nii man personnellement xam nga li may dund est-ce que xam nga li may dund man fu mu nekk nii est-ce que xam nga ko. waaw xam naa non xamoo li may dund. doos ngay wut. Mm, mm. merde merde waaw. <laughs> waaw aywa Djibo s'il vous plaît Djibo bi Djibo bi. accolade s'il vous plaît Djibo bi. Hein ah? eh, <laughs> Maximum d'applaudissements, c'était Willy. Et par là, vous <laughs> ou bien le spectacle tira sa fin, mais avant ça, j'aimerais dire un mot, un seul. Ou bien une autre chose. Voilà, maintenant il y a possibilité de venir au Malcolm Comedy Club gratos. C'est comment Vous nous regardez chez vous. Aujourd'hui c'est samedi. Bonne fin de soirée à vous, aux téléspectateurs. Allez sur YouTube ou bien page Facebook, vous tapez Malcolm Comedy Club. Faites votre plus joli selfie en regardant l'émission en direct à la télé ou ici. Vous nous envoyez ça, Malcolm Comedy Club, sur Facebook et peut-être vous allez gagner deux ou trois ou quatre places gratos chaque spectacle. C'est cool, non Voilà, voilà. Elle, je parlais, elle m'a fait. C'est le genre de fille d'Arasafoulen, quoi. Tu dis. Elles, ont envie de rigoler maintenant. Tout à l'heure, j'avais envie de vous dire un truc, monsieur, dame, à vous tous. Commençons par là, là, monsieur, dame, les jeunes filles et tous. Merci énormément. Merci. Vous allez vous lever, vous allez applaudir, et là je vais parler au caméraman. Ah, doucement, Bilali, Bilali. Bilali, Bilali, s'il vous plaît. Bilali, assis-toi, toi D'accord. Ouais, c'est bon. Eh, passe-moi la balle, passe-moi la balle. Je ne veux pas vivre sans basket, merci. Euh, Bilali, regarde, tu te calmes et tu te lèves après comme les autres êtres humains normaux. Hmm? D'accord Quand je dis une, deux, trois, les gens, vous allez vous lever, vous allez applaudir juste, d'accord Attends, ah, doucement, oh, il y a beaucoup de lébou dans la salle, là, là. Et à, chaque question, vous ça, vous allez continuer. Moi, je vais beaucoup dire, je vais, je vais parler avec le caméraman, ça ne vous dérange pas, continuez. Faites comme si vous criez, mais vous ne criez pas, en fait. Juste, d'accord D'accord 5, 4, 3, 2, 1, DJ. Tu mets tout un peu tout petit bout de son bu selaw rek faal tuuti rek dam ko suuf je suuf rek nank rek nank wàcce son bi waaw yëgal ko tuuti yëgal. eh eh. wa levez-vous. oh les belles filles les filles elles aiment ça oh. non pas ça faites faites ça faites du bruit ah. Merci beaucoup, monsieur dames. C'était le Malcolm Comedy Club à la place du souvenir avec la RTS2. Ce très joli public avec des artistes pétris de talent. Il y avait moi, Malcolm, Abba, Marema, Shigom et pas mal d'artistes. Nous vous donnons rendez-vous deuxième samedi en mois de février, comme tous les autres mois, ici à la place du souvenir. C'était le Malcolm Comedy Club. C'était la RTS2. C'était ce joli public. Et s'il vous plaît, regardez-moi ce joli public. Regarde, regarde. Est-ce que ça vaut Merci beaucoup, à la prochaine. Thank you.